n'érosions pas par rapport à cela. Autre enjeu important, et ça, euh, le dire, ce n'est pas révélé un secret, au fond, ces élections-là cachent à peine les élections présidentielles. Et malheureusement, beaucoup des compétiteurs de ces élections à venir veulent simplement prendre date. Il ne faudra pas que les Sénégalais soient évidemment distraits par rapport à cet enjeu. Voilà pourquoi, évidemment, la coalition Benno Bokoyakar doit se dire qu'elle a un ensemble de défis à relever au vu des enjeux que je viens de signaler. Que le gouvernement, dont c'est la responsabilité, trouve les ressorts d'organisation, de moyens qui permettent d'éviter toutes les quantités des personnes inscrites et également de faire de sorte que tous ceux qui sont inscrits puissent recevoir à temps leur carte. À ce niveau, je n'ai pas personnellement d'inquiétude particulière puisque nous de manière apaisée de votre se Maintenant, il y a évidemment l'équation de la pluralité des, listes. Nous en avons 47, c'est énorme. Mais puisque nous sommes des gens de raison, il faudrait que nous nous organisions pour nous accorder sur les procédures. avoir en mémoire tout le parcours, toute la trajectoire qui a dû être la nôtre avant que nous n'en venions au choix définitif. Nous avons donné une ligne d'action, nous avons indiqué aux camarades dans les localités sur la base de quoi ils devaient travailler, la représentativité, l'équité, la générosité, le fait de permettre à la coalition de rester soudée. Malheureusement, ça n'a pas été aussi opérant que nous l'espérions et nous avons dû, en conférence des leaders, nous retrouver pour arrêter les modalités de convention les plus judicieuses pour finalement ne pas être fort court. Et voilà pourquoi, en dernier ressort, nous avons fait confiance au président de notre coalition et nous avons laissé la nature de choisir. Vous me demandez est-ce que je suis satisfait des choix qui ont été faits Le PIT est satisfait parce qu'il considère que chacun des membres de cette liste de Renault Péacar est un candidat du être du groupe, pour lui l'eau est choisi et qu'il ne se retrouve dans un cadre futur différent de l'espoir qu'il nous qu'il soit plus Mais nous disons à toutes les personnes qui ont des raisons, n'est-ce pas, d'être mécontentes, de se demander qu'est-ce qu'ensemble nous voulons faire. Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est le sort individuel de tel ou tel ou c'est le sort de notre nation Quelle est la raison d'être la coalition Benobo Kiagar Est-ce que c'est un destin individuel, bien le destin national. Je suis convaincu, nous sommes convaincus, nous allons tous nous trouver, nous allons serrer les rangs pour que cette liste-là, celle de euh, la, la, question du report continue à faire polémique. Euh, la question du report ne fait pas polémique. Certaines personnes disent qu'ils prennent à d'autres, qu'elles prennent à d'autres l'intention de faire reporter les élections nous disons que c'est une tension peut-être germe dans la conscience de ceux qui agissent cette question-là. Notre certitude, c'est que, Inch'Allah, euh, le 30 juillet, les Sénégalais iront aux urnes pour, dans la paix et la transparence, choisir le thème. Voilà, donc, euh, élection législative. Euh, dañ jàpp ne bu ñu jubloo ci woote waruñu rek euh, delloo woote bi ci ne dañuy tànn rek ay ndaw yem fa déedéet ndaw boo koy tànn da ngay war a xam tam fi nga koy yebal fan la ak lan ngay xaar si moom bu dul loolu du mot ndaw ndaw dees koy yeb ndaw bi donc boo koy tànn da ngay tànn parce que da nga bëgg mu def dara loolu nga xam ne moom la ñu bëgg mu def loolu mooy li am solo nguur kenn du ko wut rek pour sa bopp pour sa langue déedéet dañ ko war a wut pour nekkinu askan bi pour soppali li nga xam ne war nañ ko soppali pour indi tawféex ñëpp bokk jàpp nañ ne loolu am na solo ndax nag ñun nañ ne tam li fi woon ni woon depuis 2012 dara soppali ko fi lu war a tax ne tey dañuy naan dañ ko fiy delloo ndax nag jàpp naa ne en tout ci langue bi le fait même que yu bëri xam nga sañ-sañu waa réew jàpp naa ne bëri waayu liste yi mu ngi wekku tam si suñu mbokk yooyu newoon ne dañuy nekk benn sëy wax dëgg yàlla ñoom noonu tasaar tasaaroo bu baax a baax a baax xam ne ñëpp nañu fi Hoje que vai ser jéego pour au-delà de la conférence des leaders ci gox yeeg gox goxaan yi mbokk yi gën a xamante gën a kii waruñu xaar rek boo woote jot ñu naan dañuy jéem a daje di waxtaan déedéet dañu war a joxante loxo di liggéeyandoo balaa wootee ñëw dans tous les cas parce que déggoowuñu woon ci localité yi ba ay werante yu xaw a moo taxoon te ñun ñëpp conférence suñu nekkin ñun ak suñu feeñ ñun ci liste yi wala est réew mi la ñu war a jiital bu fekkee ne tontu bi mooy réew mi moo ñu ñor moo tax ñu ne dañuy bennoo bokk yaakaar jàpp naa ne képp ku mer euh, mer bi warul yàgg war nañu mën a joxante loxo kon te liggéey ndax ku fa nekk rek ci ñun nekk fa suñu làng ñun fa nekkal. ku njëkkaa ngi àddu ci. xanaa rek muy xaw a meññ ci bopp ki nga xam ne moo koy wax ñun day jàppuñ ne loolu warees nañ ko wax. xam naa mu ngeen di fàttaliku yéen ñi nga xam ne yéen ay conservé waxu nit na am nañu fi waxoon ne kenn du mën a inscrire ay sénégalais yu mot pour ñu wote normalement weesu nañu page boobu tourné nañ ko juróom lu juróom benn million mu sénégalais bindu nañu léegi ñi ñuy wax mooy noo ñuy jongante dañoo bari noo carte yi am na nañu jotagul ak yooyu kon nag dañuy ruwan